ñu nuyu presse bi yëpp am solo ci message bi ñu doon lancé mooy pas un pas sans slogan boo xamante ne jàpp nañu ne tey li ñu slogan bi nag li ko tax a jóg bari na dajale waxtaan boole ñëpp beneen approche boo xamante ci liggéey lañ koy teg ak ay stratégie Abdou coupez le micro HLB xool suñu président di suñu candidat Amadou Ba xam ni kenn dootul xool ne kii fan la jaar lan mooy CVM lan la jànge au haut parce qu'il a assez fait de preuve dans ce pays donc loolu lañ doon tey bëgg ko jëmal wàccee ko ci askan bi maanaam au plus fond bas profond

absolument bo xolé tay ci kaw fi na nga saluer nak encourager di remercier aussi ñep ñi def déplacement ah, lim ju a mais sans exception ñu ngi remercier parce que bo xolé dajé bi 15 jours lañ ko donc suñu am lolu ñep ben instant dañuy aujourd'hui ce qui m'a fait énormément plaisir c'est que nous avons pu mettre en place un slogan pas un pas sans Amadoura », qui est extrêmement important pour nous nous avons longuement réfléchi mûri avec une équipe travaillé en longue haleine maintenant ce qu'il nous reste maintenant à faire c'est aller vers les populations leur expliquer le slogan le fait de vouloir investir notre candidat et pour pouvoir gagner au soir ça ne va pas être une tâche facile. Et maintenant, les gens ont compris que le président Maxal a beaucoup travaillé, a beaucoup fait pour ses populations, pour le Sénégal. Il part et il nous reste à Moudouba. Donc, on doit vendre notre candidat. Tchali, parce que je suis natif de Thiès, je suis natif plus particulièrement de Tchali, et mon lieu de vote se trouve ici. Et un leader doit pouvoir travailler sa base, particulièrement Gabriel Dion, ici que je vote les premières élections, nous sommes allés avec notre propre bannière. On a eu des résultats honorables. Maintenant, il nous faut renverser cette tendance parce que nous avons perdu deux fois deux élections successives. Et nous allons nous battre vraiment pour renverser cette tendance. C'est ça qui nous met la pression et on est obligé de le faire si on veut vraiment euh, mettre notre candidat à l'aise. Tout est politique dans la vie. Je pense que là où nous sommes, c'est juste une continuité de ce qu'on est en train de faire depuis le début, depuis qu'on est entré dans la chose politique, travail, investissement, patron et autres, tout ça, je pense que c'est lié. Il faut juste avoir de l'ambition pour pouvoir réaliser vos rêves. Je pense que c'est, on est en démocratie. Les gens ont choisi librement de mettre en place autre chose que ce qui est ce que le président a choisi. Nous, on a choisi d'accompagner le candidat du président. Je pense que c'est ça un pays démocratique. Absolument, c'est travail de longue haleine. Ça ne s'est pas réalisé du jour au lendemain. Nous avons toujours travaillé dans le respect mutuel en tant que leader jeune de la même génération. parce qu'on doit pouvoir travailler ensemble pour pouvoir obtenir le résultat. Parce qu'il nous faut. Vous savez, dans la division, on ne peut rien gagner. Mais aussi, il faut une unité, mais quand même sincère. on a tous compris ce qui nous attend. Pour moi, il n'y a pas de réconciliation. Les gens savent ce qui les attend. Maintenant, euh, ces élections-là, ce n'est pas facile et ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. On ne peut pas perdre deux élections successives et dire, rester chez soi et dire qu'on va regagner. Ça, il ne faut pas se voir la face. Je pense qu'on va travailler. Maintenant, nous tous, on a compris, on est des chefs d'entreprise, on est des politiques et autres. On s'est parlé, les gens savent que ce qui les attend aujourd'hui, c'est le Sénégal qui est en jeu c'est l'avenir de beaucoup de choses qui est en jeu. Voilà, donc pour gagner, il faut vraiment mouiller les maillots.